Si nous ni une plateforme pour régler les affaires affaire pour déglu pour cette ban innovation majeure de nous en terme d'outils, si nous suñu solution pour nous de foi nous problème bi bi moy problème bi résultat bi affaire pour éviter encore une fois réunion ay wax yu bëree séminaire yu atelier yu mais à l'arrivée résultat stérile